fu mu nekk nii daal alhamdulilah macha allah kontaan naa bu baax a baax a baax a baax si événement bi euh, ñëpp a jógee nañ fu nekk gis naa ni affaire bi affaire de unité la foundation bi yëpp unité laa si gis parce que démba bi jigéen ñeeg góor ñeeg di def seen présentations si euh, si carnaval bi gars yónnee nañ ay messages yu baax si seen défilé yi doon def xam nga My kontaan si lool and I was very very proud Just we Gambian. but um, I was very very proud. mais damay wóor fi Sédhiou sànq ni di dem si marché bi waaye loy gis si ñoom mbégte rek ngay gis si ñoom gis naa ne ñëpp kontaan te indi leen waali même boutique bi ma duggee sax ñëpp boutique bi ma duggee ñu ngi play euh, musique waali So kuma ma si waxal rek ma ne la ah mbaa du waali bee tax ñu ne waaw waali bee tax soo ñëpp a excited pour euh, euh, première fois euh, mes impressions pour cet événement c'est d'abord de vous remercier de votre présence ici à Sédhiou pour venir vraiment nous accompagner dans cette manifestation culturelle. Et aussi remercier très vivement le président de la République qui a pensé à cette région qui a beaucoup souffert. Vous savez, la Casamance, quand on parlait de la Casamance ici, c'est à cause de Sédou. Parce que c'était la première capitale de la Casamance. Et depuis lors, vous savez, les hommes passent et les souvenirs restent. Et on l'a surnommé le Pacao. D'abord, c'est une terre de bénédiction. J'ai souvent dit aux gens qui passent ici, Sédhiou, c'est le tremplin de votre avenir. Si vous passez à Sédhiou et que vous terminez bien à Sédhiou, vous avez une grande promotion. Alors, euh, aujourd'hui, vous êtes venus pour nous accompagner dans cette manifestation culturelle. Elle est très riche en culture, toute la culture mandingue, mais elle a été sous-exploitée. Mon premier souhait, c'est de vous demander de souvent venir en Casamance vous ressourcer il y a beaucoup de non-dits ici. Si les gens se le comprenaient comme ça, la Casamance, c'est le grenier du Sénégal. Il y a tout ici. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez l'avoir ici au Sénégal. dina ñi parce que tout le monde ñëw nañ Gambie ñëw nañ Côte d'Ivoire ñëw nañ ñëpp ñëw nañ ñëpp ñëw ici. aussi euh, te média bi ku képp ku ñëw ànd ngaa sa média su fu mu ne nii ñëppay xam Sédhiou ah, am na sax ñu ma jot a woo ah yéen Sédhiou ni que nii la mel ku nekk ku nekk dafa yaakaaroon ne Sédhiou benn village la te wax dëgg neex yàlla Sédhiou c'est bien alhamdulilah <laughs> lépp a ngi fi wu fi macha allah. tamit maa leen nuyu ndax euh, festival bi amuñu lu dul kontaan ndax euh, ministre bi bu dëkkee Sédhiou di jàppale waa Sédhiou xam ni moom lii mooy bëgg-bëggam Sédhiou ñu Sédhiou avancé rek lay wër ndax boo dee xool lu bëri développé na fi diggante bi mu fi nekkee léegi lu bëri changé na fi xëy na peut-être am na ñoo xam tey bu ñëwoon Sédhiou tey mun nañoo bañ a xam ni fii mooy Sédhiou ndax lañ fa fekkoon début ak léegi changement bi fi nekk. ñu lu dul di ko remercier di ko féliciter ndax boo nekkee ministre dëkk sa dëkk yéene dëkk bi avancement développement comprendre nga moom lu mu am Sédhiou lu la ko yéene lu mu am fu mënti ne xelam Sédhiou lay ne ñun ñi fi nekk ci moom dëkkuñu fi waaye gis nañ avancement bi ndax ku bëgg liggéey la ku gëm liggéey la ku bëgg liggéey la ku gëm liggéey la kon saa su nekk dañ koy ñaanal ak yokkute. mais war na fi ñëw suba dina la gaañ kay waxuma laa gaañ waaye dina ma dina ma dina ma <laughs> ndax man moom rek laay déglu. ah moom rek laay déglu. kon Waly ngay xaar. Waly lay xaar. loo am lu nga war a lu mu war def ci waaye daal li ma koy wax daal mooy du yomb daal bu mu ko yombal. bu naree yomb dañ koy bàyyi de. Ah? daaw fu mu toll ni koy xolal moom lay xaar daal saytu gi yëpp ñu ngi koy xaar. Wow, ñun daal moom kontaan nañ wax dëgg yàlla abu dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba li mu mbébét mi mu am ci Sédhiou na xam naa mbébét mi fi am bis bu paree mooy dàq mooy dàq Europe <laughs> kon boobaa dootuñu jaar sax ci suuf ci kaw ne ni jaar waaw dañ koy ñaanal yàlla rek yàlla suñu borom bàyyi ko fi yàlla guddal fanam wéral waaw yéen tamit kontaan nañ ci yéen ndax xëy na nit ki amul lu yéene ñun suñu xol lii bëggoon nañ ko torop waaw bëggoon nañ ko torop Sédhiou daal nañ nekk benn ñu jàppale abu ndax ku la jox nga añ bu la diggee reer nga war koo gëm te mu ngi ñu jox ñu añ ba suur kon bu reer bi ñëwee mooy dàq añ bi. benn xam naa ne abu liggéey a ko ñor ko ñor soo waxee rek day wax tout le temps sama njaboot la bokk sama njaboot la bokk moom jël na ñëpp uuf seetul kii seetul kaa ñëpp la jël uuf soo message bu ma si jëlee rek mooy na ñëpp nekk benn. na xol yi yëpp nekk benn ñu ànd ak moom ñoom ñëpp ñu liggéey seen dëkka parce que nit ki amuloo dara lu sa dëkka te ku am éene bu baax te day def di fi xol yàlla dina la jàppale parce que yàlla gis na xolam gis na li fa nekk te xam na yàlla xam na ne liggéey rek ko ñor ak bugg a dëkkaam ak gom doomi dëkkaam léegi ñoom ñëpp ñu ànd ak moom ñu jàppoo jàppoo liggéey Sédhiou liggéey Sénégal parce que Sénégal ay bopp bi nous avons toutes les saisons les fruits la nourriture rien ne manque ici et c'est pourquoi les gens se disent souvent quand tu viens ici tu dois rentrer on te dit il faut nous amener des fruits de la Casamance parce que c'est des fruits naturels c'est des fruits très naturels alors à dire que le festival là est une aubaine pour nous je ne le dis même pas pour ça mais pour l'homme cet homme de, de, foi, de cœur, qui aime son terroir. Parce que le terroir se mesure à l'image de son fils. Ce n'est pas les autorités. C'est les fils qui doivent développer le terroir. Et après, l'autorité vient mettre la main. Et Abou est un exemple du fils du terroir. C'est le gars, à depuis qu'il a, que euh, Dieu a fait de lui le responsable de la ville, de la commune. Tout son œuvre, toute sa pensée, c'est la réussite de Seyou. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan aménagement. Et il a souvent dit, si on me donne des postes de responsabilité qui ne peuvent pas me servir, servir mon terroir, j'en ai pas. Et il a souvent dit. Et voilà aujourd'hui que Seyou, depuis l'indépendance à nos jours, c'est le seul homme qui a pensé à son développement que vous avez aujourd'hui tout ce que vous avez vu à ce développement-là. Un gars social. Voilà un gars, quand il mange, je vous dis qu'il mange en tant que ministre, il appelle tous les gosses du coin-là. Il partage avec eux le même repas. Voilà un gars, quand il entend quelqu'un qui est malade, il n'a pas besoin de le savoir, de le connaître. Il sort son argent, il l'accompagne. C'est le gars lui-même qui vient lui dire ah, Monsieur le ministre, quand j'étais malade, c'est vous qui m'avez. Il dit Ah bon un homme comme ça, de dimension, est-ce qu'on ne doit pas l'accompagner crier pour lui. Il y chez lui. On ne demande pas de Hein? Vous l'avez constaté. Quand vous avez besoin de lui, venez. Il est là. Il est disponible à tout moment, n'importe où vous le trouvez, même dans les rues. Vous l'interpellez, il est là, il est prêt à partager avec vous. Mention honorable. Et je demande au président de la République, voilà un gars qu'il nous faut. Un gars sérieux, calme, travailleur pondéré, obéissant. je ne s'arrête pas seulement à la commune. Mais les capitales régionales, si l'État parvient à mettre le paquet dans les capitales, je te dis, c'est et les routes. Vous savez, les routes là, c'est la base de tout développement. Quand il y a une route, faites une route quelque part, et vous regardez où il y a de, bonnes routes, il y a toujours des habitations. Parce que l'accès est facile. Les gens peuvent écouler le produit et tout. Le seul fait d'avoir tout ça, tout autour, d'avoir de l'électricité pour pouvoir au moins gérer hein, certains travaux, vous avez accompli votre travail. Maintenant, se nourrir, c'est la personne qui doit se dire je dois cultiver, je dois faire tel emploi pour pouvoir réussir. Ne l'attendez à personne. Moi qui vous parle, je suis un ancien militaire, mais depuis que j'ai quitté l'armée, personne ne m'a dit. J'ai utilisé les chariots trois rues, j'ai vendu de la friperie, Aujourd'hui, je suis même dans le transport. Avec mes propres moyens. Moi, je suis un exemple. Et à mon âge, je rentre dans les 70 ans. Le bac de Voilà, le bac de vraiment, on aurait souhaité qu'on ait un pont. Parce que ça va faciliter la vie. Parce que Sandinière, de Sandinière au-delà, les villages environnants qui sont là, il y a un village marabouté que les gens aillent souvent en pèlerinage. Et beaucoup passent par là pour traverser aller. Et c'est le un moyen de, liaison entre Sejo et Tanaf, la route nationale qui va de l'autre côté pour contourner Sejo. Et il y a beaucoup de fruits ici. la pression qu'on utilise là, mais dans chaque maison, dans chaque maison, vous trouverez un arbre un manguier qui peut produire quelque chose, qui peut servir même à la famille là. Parce qu'il suffit de l'exploiter, de le vendre, hein, euh, euh, qu'on ait, construit une usine de transformation. La famille là, est, heureuse. Elle n'aura plus besoin d'aller. Hein, c'est parce que ça lui vaudra trois 3 ou quatre sacs de riz, un seul pied de mangue. Mais comme euh, si le, fleuve commence à. Comme il y avait beaucoup de sel, s'il y avait un dragage, peut-être ça pourrait faciliter. Parce que vous, voyez la rive là, ça va jusqu'à Ziguinchor. Le fleuve là, il va jusqu'à Ziguinchor. Il suffit d'un dragage, eh, d'un suivi, hein, que, les gens l'exploitent à bon escient. Vraiment, les gens ne parlent plus. Un dernier mot à l'encontre de la population de sud L'homme propose, Dieu dispose. Euh, euh, le ministre est une aubaine pour Seydou. Vous savez, Dieu a tout fait et a tout créé. Quand il vous dit voilà l'homme qu'il vous faut, prenez. Parce que la réussite, l'avenir de, votre milieu, de votre environnement, il y a une partie qui lui a confié. Et je souhaiterais que la population l'accompagne. Si on l'accompagne, il peut même il peut même amener des montagnes d'avenir, de développement pour la commune. Parce qu'il est ambitieux. Quelqu'un qui est ambitieux, il faut l'aider, il faut l'encourager. Alors, le fruit du développement, será tres fácil.